Euh, ñu bëggoon a tey wax ni euh, un patriote bu defee erreur ci li ma jàpp euh, nitu ku ku ku am diine ku ñu yar ci diine bu defee njuumte da koy nangu wax yàlla njuumte la de notre part parce que dépassé na moo tax ma bëggoon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Macky Sall président APR may jëmale ko également ci Sénégal yi nga xam ne ñoo ñu déglu démb tey li ñu wax. Euh, naqari leen lool ba jot nañ ci information yu bare bare bare euh, donc mu nekkoon kàddu bi nga xam moom lañ bëggoon yëkkati ngir jégalu ci baax a baax a baax donc euh, je voudrais euh, personnellement Biram Souleye Diop revenir sur la, une séquence qui s'est passée hier lors du point de presse de, de Yewwi Askan Wi nous avons euh, eu des propos à l'endroit de Macky Sall, président de l'APR qui ont dépassé nos intentions. En tant que patriote, en tant que simple croyant, euh, quand nous commettons euh, une erreur à l'endroit d'une personne, je pense que euh, le mieux indiqué est de l'accepter et de présenter des excuses. Voilà pourquoi je lui présente humblement mes excuses. Mais également, je présente ces excuses-là à tous les Sénégalais, à tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, pour nous dire vraiment que nos propos, pour cette fois, ont dépassé ce que nous devons faire. C'est la raison pour laquelle nous échangeons avec vous pour le dire. ces propos ont été au-delà de nos intentions. Donc ce sont les excuses que nous voulons vous présenter. voilà, nous espérons avoir votre compréhension à tous. Merci.